Oui. Tu sais, en fait, euh, le problème, Annie, que euh, amour, je sais pas, il y a quelque chose, il y a un truc qui, je sais pas, ne me dit pas. Il y a, il y a un truc pour maintenant, mon au d'aromako. Et je sens ça, même pour moi, tu, je sens ces manières, je ne sais pas quoi. Il y a un truc qu'il ne va pas monter, je ne sais pas, Rahmat. Hmm. parce que? Je ne sais pas, Rahmat, de mon apprendre, je sais pas quoi. Hmm. Rahmat, peut-être qu'il y a un bébé, le bagage le bagage? ni muy waxee noonu. buntu gaynde bi waaw. buntu gaynde bi mais c'était ça c'était au fait le problème Aneka dafa am lu mu bëggoon wax léegi mu ne nañ fay téléphone yi. pour mu mën a nekk en l'aise parce que les enregistrements et tout ça ci laa fay sama téléphone nag. Mm. mais est-ce xam nga moom ci ci sa dem bi nga dem ni